Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été préparée pour nous aider à gagner spirituellement tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le dimanche le 5 février 2023 et nous considérons le thème La responsabilité compte. La responsabilité compte. Prions, Père, nous te remercions et te glorifions pour cette opportunité que tu nous as donnée. Notre prière, Seigneur, que tu nous as tu nous donnes aujourd'hui pour que nous puissions entendre ce que tu as pour nous au nom de Jésus. Seigneur, merci. Guide-nous et à travers cette parole, ta gloire, le, gloire tu seras donnée au nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons la responsabilité compte. Nous allons considérer notre thèse de lecture dans Néhémie chapitre 7 à partir du verset 70 jusqu'au verset 73. Néhémie chapitre 10, chapitre 7, à partir du verset 70 jusqu'au chapitre 1. à partir du verset chapitre 70, à partir du verset chapitre 7, s'il vous plaît, chapitre 7 de Néhémie, le verset 70 jusqu'au verset 73. Lisons la Bible ensemble s'il vous plaît. Plusieurs des chefs des chantres firent des dons pour l'œuvre, le, le gouverneur donna au trésor 1000 diariques d'or, 50 coupes, 530 tuniques sacerdotales. Les chefs de famille donnèrent au trésor de l'œuvre 20 000 d'ardiques d'or et 200 000 d'argent. Le reste du peuple donna 20 000 d'Arik d'or, 2000 minces d'argent et soixante 67 tuniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les, Né, et tout Israël s'établit dans leur ville. Le septième mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Le verset clé, c'est le verset 72 qui dit ceci. Le peuple et le reste du peuple donna, le reste du peuple donna 20 000 diariques d'or, 2 000 mines d'argent et 7 tuniques sacerdotales. Allons-y dans le message. Thomas Paine un militant politique américain d'origine anglaise a déclaré ce qui suit. Personne ne devrait faire confiance à un groupe d'hommes qui ne se considèrent responsables devant personne. Aujourd'hui, le problème majeur de nombreux pays est le leadership. Est le leadership. La plupart des personnes élues à des postes d'autorité dans de nombreux pays finissent par ne pas rendre le compte, de compte aux personnes qui leur ont confié leur mandat et elles agissent comme des suzerains. Dans notre texte, la direction des exilés de retour sur Exra s'est fait un devoir de documenter et de rendre compte de la contribution de chacun au soutien de l'œuvre. Il a d'abord consigné la contribution apportée par plusieurs des chefs de famille elle a distingué les contributions faites par le gouverneur qui étaient importantes dans, le, la cité. Elle a ensuite donné des comptes rendus précis du reste de ce qui ou de ce que les gens ont donné. Il y a une nécessité de responsabilité dans la maison de Dieu. Nous ne devons pas suivre la voie des politiciens en matière de leadership qui favorise les murmures et les euh, recensements dans la société. La maison de Dieu doit être un abri à l'abri des murmures et même à des soupçons des membres. Par conséquent, les dirigeants doivent être constants dans leur mode de vie et dans la culpabilité de l'utilisation des ressources de l'Église. Pour y parvenir, les dirigeants doivent toujours faire preuve de compétence, de transparence et de sincérité concernant l'acquisition et la décaissement ou bien le décaissement des ressources. Si cela comptait dans l'Ancien Testament, cela compte aussi maintenant. Beaucoup peut-être appris, beaucoup peut-être appris de la coopération, de l'engagement et de la volonté de Juifs. Nous, nous ne devons pas négliger la moindre contribution à tout projet dans la maison de la loi ou de la foi. Chacun et chaque contribution compte. Dieu veut que nous soyons fidèles à son travail et à ce qu'on nous raconte à tout ce qu'il donne comme travail de faire. Prions. Père, nous te remercions. Dieu, pour aujourd'hui pour cette parole encore. Une fois encore, nous te disons merci, car tu es un Dieu grand, un Dieu miséricordieux qui fait toutes choses. Seigneur, sonde nos cœurs et enlève tout amour caché de l'argent. Seigneur, convainc-moi, convainc-nous de toute infidélité passer avec l'argent dans le ciel pour en me reprocher et de nous donner, Seigneur, la grâce d'en faire la restitution. Seigneur, nous prions que tu nous, nous prions, Seigneur, nous demandons de mettre à cœur la responsabilité et la fidélité financière à tout instant. Seigneur, nous prions que le cœur des frères et même sœurs soit gouverné par l'amour et la crainte de Dieu, afin que tout soit financièrement fidèle. Merci Seigneur car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre verset clé, c'est le euh, Notre pensée du jour dit La comptabilité est importante pour Dieu. Cela devrait nous importer. La comptabilité est importante pour Dieu. Cela devrait nous importer. Notre lecture biblique se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 13 jusqu'au chapitre 17. de chapitre 17, chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Merci que le Seigneur vous bénisse. Amen.